forum du studio le forum du studio forum du forum du forum du forum du forum du forum du Chers euh, auditeurs, euh, bonsoir. C'est l'heure du forum du studio Kalangou, votre rendez-vous quotidien d'émissions radiophoniques de débat et de dialogue sur des questions d'actualité ou de société que vous suivez grâce à notre réseau dynamique composé de 45 radios partenaires émettant dans toutes les huit régions du Niger. Certaines de nos productions sont également diffusées depuis le début du mois d'octobre par cinq chaînes de télévision privées du Niger. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la situation des écoles dans les zones sous état d'urgence au Niger. Quelle est la situation actuelle des écoles dans les zones d'insécurité au Niger Que fait l'État pour assurer le droit à une éducation de qualité pour tous, y compris dans ces zones d'insécurité Quelles doivent être la contribution des autres acteurs dans le cadre de la promotion de ce droit à l'éducation dans toutes les localités placées sous état d'urgence au Niger. Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio le secrétaire général du syndicat national des enseignants de base SNEB, Alio Hassan Samna. Il est aussi le coordonnateur de l'international de l'éducation section du Niger. Monsieur le SIG, bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième invité, c'est monsieur Braham Moumouni. Il est le coordonnateur national de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO et PT, une structure de la société civile nigérienne qui mène des plaidoyers pour euh, l'amélioration de la qualité de l'éducation au Niger. Monsieur le coordonnateur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous avons également invité à ce forum le ministère en charge de l'enseignement primaire qui n'a pas répondu à notre invitation à la modération de ce forum. Vous avez Michel Deji. commençons par la situation actuelle des écoles dans les zones sous état d'urgence au Niger. Trois régions du pays sont principalement concernées par cette situation d'état d'urgence. Il s'agit des régions de Difa, Tilaberi et Tawa. Rien que dans la région de Tilaberi, à la date du 19 février 2020, les chiffres évoqués lors d'une visite du ministre en charge de l'enseignement primaire font état de plus de 300 écoles fermées pour insécurité Écoutons quelques parents d'élèves de la commune rurale d'Inates dans la région de Tilaberi. Ils s'inquiètent pour euh, l'avenir de leurs enfants au micro de notre correspondant local Abdul Hayou Amadou. Eh, nous, vraiment, ce que nous voulons, que nos enfants aient des écoles où étudier, qu'ils retournent à leur endroit, qu'il y ait la paix pour que les enseignants acceptent d'aller enseigner. Puisque à l'état actuel de la situation, il y a des enseignants qui n'accepteront pas d'aller dans certains endroits pour enseigner, au risque de leur vie. On dit aux parents de faire attention à leurs enfants. Faut pas qu'ils laissent les enfants vagabonder dans les villes, puisqu'ils ne partent plus à l'école. Donc vraiment, nous sensibilisons les parents d'élèves pour qu'ils essayent de dire à leurs enfants de faire attention et de suivre pas à pas ses enfants pour qu'ils ne tombent pas dans de mauvaises routes. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir des écoles. Vous savez, là où on a quitté, on avait nos écoles qu'on a laissées quand on a quitté. Donc on a besoin vraiment des écoles. Les gens sont éparpillés, ils ne sont pas au même endroit. Donc il n'y a pas la possibilité d'avoir des écoles. Et nos enfants sont là en train d'errer. Vraiment, dans la commune d'Inates, il n'y a plus d'école. Les enfants sont dans la débandade. Leurs parents sont inquiets. La question même ne se soulève plus. Il n'y a plus la question d'école des enfants. Ça serait bien si vous faites en sorte que nous ayons des écoles ici. Bram Moumouni, coordonnateur national de la coalition nigérienne pour une éducation pour tous, euh, ASSO et PT. Quelle réaction faites-vous de ces cris de cœur venant des parents d'élèves en pleine année scolaire en tant qu'acteurs de lutte pour le droit à l'éducation euh, Merci euh, Michel pour cette opportunité que vous nous donnez pour s'exprimer par rapport justement à cette question préoccupante de l'école en situation d'urgence. Je pense que ce n'est pas de trop de rappeler que le Niger, depuis un certain temps, est confronté à plusieurs, euh, en tout cas, euh, foyers euh, d'insécurité. Mhm. vous vous souvenez, déjà en 2013, la région de Difa était la première à être confrontée, en tout cas, à l'insécurité liée à la secte Boko Haram, qui a aussi entraîné plusieurs déplacements, notamment des parents suivis donc des enfants. Et euh, en tout cas, cette insécurité s'est poursuivie dans d'autres régions, comme vous l'avez si bien dit, notamment la région de Tlaberi et une bonne partie aussi de la région de, euh, de Tawa. Cela a effectivement euh, créé une situation peu dans le système éducatif parce que la situation d'insécurité a fait que beaucoup de parents ont quitté leur, en tout cas, lieu d'habitation habituel. Et ces parents ont quitté avec leurs enfants tout naturellement. Maintenant, est-ce que euh, les conditions sont euh, prises pour que euh, là où ces parents ou ces communautés sont relogées, on puisse créer en tout cas la situation devant permettre aux enfants de, en tout cas, de poursuivre leur scolarité et c'est à ce niveau que la question se pose, effectivement, comme vous l'avez dit. Et on a écouté avec vous, effectivement, ces parents qui s'inquiètent euh, de l'avenir de leur enfant en termes donc d'éducation. Mhm. Et c'est une réalité. C'est vrai que euh, l'État et ses partenaires euh, essaient quand même de faire beaucoup d'efforts, mais je pense que le problème reste entier. du moment où actuellement on n'a aucune citation précise, en tout cas du côté du ministère, qui nous dit qu'est-ce qu'on est en train de faire véritablement en faveur donc ces zones déplacées. surtout, comme vous le savez, euh, cette situation d'insécurité a entraîné euh, une certaine psychose chez les enseignants qui sont censés, euh, en tout cas, donner l'éducation dans ces zones-là. Et beaucoup d'enseignants ne veulent pas aller. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous rassurer que l'État a créé les conditions pour que ces enseignants-là puissent retourner dans ces zones-là où les communautés sont encore sur place et dans les zones où les communautés se sont réfugiées est-ce que euh, tout le nécessaire en termes donc d'infrastructures, en termes donc de moyens euh, humains, et, tout ce qui est nécessaire pour un encadrement a été mis en place Il y a beaucoup de questions autour de cette euh, préoccupation. nous avions, je vais juste parler du fait que ASSO et par exemple intervient euh, au niveau Nous allons voir dans un instant ce que vous faites justement dans ce sens. Euh, Monsieur Alio Samna du syndicat national des enseignants de base, euh, il a dit que le problème reste entier. On a vu justement qu'il y a des parents d'élèves qui s'inquiètent et qui disent que les enseignants ont euh, des difficultés à aller justement au niveau de ces zones euh, sous état d'urgence, au niveau de certaines écoles en tout cas, pour enseigner. Qu'en dites-vous Bien, permettez-moi d'abord de vraiment féliciter et encourager votre studio mhm. euh, pour vraiment vos initiatives, vos initiatives salutaires pour l'ensemble de la population donc, nigérienne. Et disons simplement que tout à l'heure, ce que j'ai suivi, c'est émouvant. Je vous dis sincèrement, cela est tout à fait choquant. Euh, comment peut-on accepter que nous soyons dans une situation comme celle-là et que cette situation continue à perdurer Il faut dire que euh, vraiment euh, cela est extrêmement grave. C'est grave d'autant que c'est un droit, un droit universel, un droit fondamental, un droit constitutionnel qui est là en train d'être violé. Comment peut-on continuer à accepter que euh, des enfants dans leur place et à l'école se retrouvent dans la rue, comme l'a indiqué le parent, en train de jouer. Quand vous dites leurs droits euh, sont en train d'être violés, c'est pas qui Mais par l'État. Qui garantit le droit à l'éducation C'est l'État. C'est très, très évident, c'est très logique. Aujourd'hui, euh, si ces jeunes gens n'arrivent pas à aller à l'école, c'est la faute donc de, ceux qui, ceux-là qui ont la responsabilité de leur assurer une éducation et une éducation à tous une éducation de qualité. Nous pensons que euh, vraiment cela est extrêmement grave. Et vous voyez, cela passe comme si c'est rien du tout. Euh, L'État continue à, considérer que cela est tout à fait normal, comme si cela est acceptable du point de vue moral, du point de vue euh, social, du point de vue vraiment culturel. Cela est inacceptable. Personne ne peut aujourd'hui nous expliquer les raisons fondamentales pour lesquelles l'État accepte l'État qui dispose de tous les moyens, qui dispose de tous les pouvoirs, accepte que des enfants. Et dont euh, le nombre dépasse ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Vous parlez de, 300 euh, écoles, mais nous disons environ 500 écoles, parce qu'il faut parler également de la région du Difa. Bien sûr. De la région du Difa également, il y a des écoles fermées. Il y a plus de 500 écoles fermées plus de 50 000 élèves. Est-ce que le ministère vous a donné des chiffres, vous, par rapport à ces écoles fermées Le ministère, c'est qui c'est nous également, puisque nous avons euh, nos camarades sur le terrain. Nous sommes du ministère. Le ministère, c'est nous tous, c'est tous les agents. Et les informations c'est euh, pourquoi souvent à, ces débats, nous voudrons que le ministère y soit, puisqu'il ne peut pas contredire ce que nous disons, parce qu'ils le savent. Ils savent de nous tenons les informations par rapport aux chiffres. Il ne s'agit pas d'inventer. Il ne s'agit pas non plus de dire simplement qu'il faut parler. Nous sommes des responsables et ils savent pertinemment que euh, ce que nous disons, c'est cela. Dans la région de Tilabéry que vous évoquez, on a dépassé de loin les 300 classes fermées. Nous avons dépassé eh, les 29 000 enfants en âge scolaire qui sont dans la rue et qui attendent. Dans la région de Difa, je parle de la région de Difa, nous avons dépassé le seuil des 120 classes fermées. Là, nous avons dépassé également euh, les 12 à 13 000 enfants en âge qui ne, peut peuvent plus aller à l'école. Donc, vous voyez, donc nous, nous disons simplement en tant que syndicat d'enseignants et d'enseignants de base, quand on dit de base, c'est le primaire, le secondaire, nous disons simplement que euh, nous sommes dans une situation où l'État doit exister. Nous avons l'impression que l'État cesse d'exister ailleurs, dans ces zones où ces enfants sont privés du droit à l'éducation, Peut-on dire que l'État existe Nous disons non. L'État a cessé d'exister dans ces régions. Et les responsables ont intérêt à faire en sorte que l'État existe dans ces régions. Comment peut-on accepter que des villages tout entiers quittent et simplement parce qu'ils sont menacés alors qu'on a la force publique, on a le devoir de garantir la sécurité pour que les populations puissent rester sur place et que les enfants puissent avoir droit à ce droit constitutionnel. Comment peut-on comprendre que même les regroupements que l'État avait eu à faire, parce que il faut dire que euh, tout le monde est conscient de la situation. Et lorsque le, ministère ministères en charge de l'éducation, le gouvernement a, a vu la gravité de la situation, a tenté des solutions et parmi ces solutions, ce sont les regroupements des écoles et, des, enfants. On essaie de regrouper les familles. On regroupe les enfants dans des endroits pour permettre. sécuriser. Pour, pour, d'abord créer un milieu euh, qu'ils peuvent sécuriser et un milieu où les enseignants euh, peuvent se déplacer et pouvoir donner euh, la connaissance aux, enfants. Mhm. Mais nous disons que, alors, est-ce que cela même a été efficace Cela n'a pas été. Au niveau des localités comme DIFA, les enseignants sont obligés de faire, de faire donc euh, des descentes. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qu'on a retenus. Les enseignants qui habitent dans des lieux différents donc des milieux retenus, ils sont obligés de faire la navette. Ils font la navette. Et qui dit navette dit déjà la perte de temps scolaire. Il faut que les enseignants quittent le matin très tôt pour pouvoir y être. Et le soir, ils doivent quitter avant la descente pour ne pas se faire prendre euh, par euh, ces bandits à quelqu'un dira euh, les gens de Boko Haram, ces gens hors la loi. Alors que c'est à l'État, à l'État de montrer son existence et à, prendre des mesures permettant à ces enfants d'avoir ce droit. On vous comprend bien, vous parlez là des faiblesses de l'action de l'État. Est-ce que ça a été votre constat à votre niveau également, euh, Braham coordonnateur national de ASOEPT Oui, ce que nous pourrons dire, c'est que on ne peut pas négliger effectivement l'effort que l'État est quand même en train de faire, parce que c'est quand même une situation euh, d'insécurité. Et qui dit situation d'insécurité euh, dit que euh, beaucoup de moyens qu'il faut mobiliser. Et vous savez que la sécurité, ça coûte trop cher. Mmh. Mais je pense que, comme on le dit, qui trouve que l'éducation est trop chère n'a qu'à essayer l'ignorance, comme on dit. Mmh. Donc, si d'ailleurs on est souvent, parce que souvent on se pose même la question, si nous sommes dans certaines situations d'insécurité qui tout le temps trouvent donc des candidats qui vont vers ces groupes, souvent si on pose la question, c'est parce que justement les citoyens n'ont pas pu avoir l'éducation qu'il faut. Mm-hmm. Et c'est pourquoi nous pensons que euh, de la même façon que l'État est en train d'injecter des ressources au niveau euh, donc de la sécurité et de la défense, nous pensons que l'État devrait également mettre les moyens suffisants que l'éducation puisse être assurée à ces milliers d'enfants, effectivement, comme l'a dit Alio. Parce que quand vous prenez, c'est beaucoup de, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, quand vous prenez toute la, en tout cas une bonne partie de la frontière avec, par exemple, le Burkina, la zone des trois frontières, comme on, l'a dit, mhm. exactement. Toute cette zone-là, vous avez la majorité des écoles qui ne sont pas en réalité opérationnelles. Et ça, c'est des milliers d'enfants qui sont en tout cas euh, hors d'école et à qui il faut trouver une solution parce que si on ne trouve pas de solution à ces enfants aujourd'hui, ça veut dire que ces enfants, dans deux ans, en tout cas dans quelques années, vont revenir dans les groupes euh, armés. Et, notre euh, l'insécurité ne finira jamais dans ce pays-là. Et qui doit trouver ces solutions Mais ça, je pense que euh, la grande partie de cette responsabilité, nous ne pouvons le confier qu'à l'État. C'est l'État le premier responsable d'abord, en tout cas, de cette situation. Ensuite, maintenant, euh, nous autres citoyens, les mhm. populations, chacun a un rôle à jouer, mais je pense que le rôle le plus important, c'est à l'État d'abord d'assumer euh, cette responsabilité. Parce que euh, notre Constitution dit, comme Alio l'a bien dit, que l'éducation est un droit fondamental pour tout citoyen. Mhm. Nous avons aussi endossé, en tout cas, ou souscrit à un certain nombre d'engagements au niveau international, tels que les ODD, notamment l'ODD 4, qui dit que tous les États ont l'obligation d'assurer une éducation d'égalité sur un pied d'égalité à, tous les citoyens. À l'horizon 2030. 2030. Donc, mm. c'est une obligation que l'État se fait, Et à ce titre, l'État doit créer les conditions pour que justement il puisse s'assumer ou pour qu'il puisse assumer en tout cas cette responsabilité. Donc, c'est d'abord l'État qui doit créer, parce que quand vous prenez euh, le financement de l'éducation au Niger, c'est vrai que le président de la République, en 2011, quand il prenait en tout cas son premier mandat, il avait promis 25% du budget national à l'État. Si véritablement ce budget a été consacré, ça allait résoudre beaucoup de petits problèmes, en tout cas que nous avions connus durant euh, ces dix ans-là dans le système éducatif, en passant par justement la valorisation, par exemple, des enseignants, qui, euh, à juste titre, parce que beaucoup craignent d'aller dans des zones d'insécurité parce qu'ils s'exposent justement, euh, au, en tout cas, euh, au pire. Et donc, si les moyens suffisants étaient mis, en tout cas euh, dans le système éducatif, peut-être qu'on allait créer des choses qui permettraient de motiver ces enseignants-là à pouvoir, en tout cas malgré tout, puisqu'ils sont comme des soldats et ils ne doivent pas fuir, en tout cas, ces, crises-là, et ils allaient peut-être rester donnés donner suffisamment euh, en tout cas leur euh, temps pour qu'on puisse euh, éduquer nos enfants. Merci beaucoup. Nous voyons bien ce que vous dites. L'État doit faire des efforts et continuer à faire ses efforts. On comprend bien, au Samna, c'est vrai qu'on n'a pas le ministère en charge de l'enseignement primaire, qu'on aurait souhaité quand même être avec nous. Mais à votre niveau, qu'est-ce que l'État aurait pu faire qui n'a pas été fait et qui est à la base de la situation actuelle que nous avons Bien, avant de répondre à votre question, permettez-moi vraiment de, de répondre, parce que je ne suis pas d'accord avec le coordinateur national de la SOEPT. Oui, vous voyez, quand il dit que l'État a fait assez d'efforts. C'est son point de vue, vous avez le vote. Non, non, mais écoutez, mais écoutez, le coordinateur euh, a donné, du mon point de vue, euh, à l'État des efforts, de plus d'efforts, alors que nous, nous estimons que l'État, quand on parle d'État, il devrait faire plus Lorsque l'État est incapable de faire fonctionner l'école dans une région, lorsque l'État est incapable de maintenir les populations dans leur propre village. Il y a une situation exceptionnelle quand même. L'État devrait être à mesure lorsque l'État ne peut plus maintenir les populations, lorsque l'État ne peut plus assurer l'éducation aux enfants. Nous disons que l'État a atteint son degré de faiblesse, son degré de faiblesse inacceptable. Cela est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter que nous soyons là. On dira que non, il y a l'insécurité. Mais oui, l'État. Pourquoi l'État, dans sa composition, est doté des forces armées pourquoi l'État est doté de la garde nationale, de la police C'est pour assurer la sécurité. Mais lorsque l'État n'arrive pas à assurer la, sécurité des populations et que les populations sont dans l'obligation d'abandonner tout ce qu'ils ont comme richesse, lorsque les enfants sont obligés de renoncer à un droit constitutionnel, le droit à l'éducation, nous disons que l'État est en faillite par rapport fallait? à ses prérogatives. Qu'est-ce qu'il fallait faire, La première chose à faire, il faut que nous le disions, il faut que les gens l'acceptent. En cas de difficulté et en cas de problème et en cas de situation comme celle-là, il faut qu'on sent l'engagement commun il faut qu'on sent une synergie nationale. Il faut qu'on sent que l'ensemble des acteurs soient associés dans, dans, l'action visant mhm. à trouver des solutions aux problèmes. Aujourd'hui, à quoi nous assistons À la banalisation de tous les partenaires et à tous les niveaux. Au niveau, quand vous prenez au niveau des ministères en charge de l'éducation, on estime que le syndicat n'est rien, qu'on n'a pas besoin de syndicalisme, qu'on peut dormir, rêver. Et le matin, ce que vous avez rêvé la nuit, pensez que c'est la réalité le matin vouloir mettre ça en application. Cela n'est pas une gestion. La gestion, c'est également avec les partenaires. Ne pensez-vous pas que c'est parce que c'est un sujet un peu sensible quand même, la question de la sécurité Oui, mais non, mais écoutez, la sécurité ici, c'est par rapport à comment faire pour que l'école fonctionne. Mhm. On n'est pas en train de parler de, de, comment aller à la guerre ou comment aller. Non, non, non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Comment faire en sorte que l'école fonctionne dans ces zones de sécurité. Mhm. Et quand on veut trouver la solution et que l'école puisse fonctionner, le ministère en charge de l'éducation devrait d'abord discuter avec les parents d'élèves, discuter avec les enseignants. Parce que le, ce n'est pas le ministre ou ses, ou conseillers qui iront enseigner dans les saisons d'insécurité. Il y a une rencontre de ce genre le 19 février. Où c'était à Tilaberi. Avec qui Avec les acteurs, les chefs traditionnels, les chefs religieux même. Mais écoutez, écoutez, je suis d'accord, les chefs traditionnels sont les représentants. Mais ça ne suffit pas. Mm-hmm. Les enseignants ont été rencontrés à quel niveau quand on parle d'éducation, de ce qui va enseigner les enfants, on est obligé de parler d'enseignants. C'est l'enseignant qui ira enseigner. Comment on va discuter sans que les enseignants ne soient présents par rapport mhm. à l'enseignement et par rapport à l'éducation Et surtout dans un milieu où les enseignants sont hostiles. Comment peut-on trouver des solutions à ce problème en ignorant les syndicats d'enseignants Les enseignants qui sont là-bas sont défendus par les syndicats. Comment peut-on discuter d'éducation dans ce milieu en ignorant les syndicats, en méprisant les syndicats, en méprisant les parents d'élèves. Vous avez parlé des chefs religieux, d'accord. Vous avez vu la réunion avec les parents d'élèves vous en avez vu quand est-ce qu'on a appelé les, acteurs de la société civile active en éducation Aujourd'hui, euh, ce n'est pas parce que le coordinateur de ASSO est là. et EPP est l'une des plus grandes coalitions au Niger, coalition active qui non seulement endosse pour l'État du Niger, mais également qui fait en sorte que l'éducation fonctionne à travers ses actions de plaidoyer et autres. Est-ce que vous avez vu, on a associé à ASSO Est-ce que vous avez vu, nos syndicats ont été associés Est-ce que vous avez vu, les parents ont été associés Mais qui a été associé Mais écoutez, si on veut régler les problèmes, il faut qu'on revienne sur terre. Le problème ne trouve pas leur solution en l'air. Non, non, non, il faut que ce soit à terre. Quelqu'un disait, il faut qu'on joue la balle à terre. Mmh. Il faut que ceux qui nous dirigent acceptent que l'école est une affaire de tous. L'école n'est pas leur affaire à eux seuls. Ce n'est pas leur bien à eux seuls. Il faut donc impliquer, ils ne pas. Il faut donc impliquer tous les acteurs. Il faut impliquer tous les acteurs. Il faut discuter avec les acteurs. Et nous sommes convaincus mhm. que lorsque ce débat sera sincère avec les acteurs et que l'État sera disposé à prendre en compte euh, ceux qui sortiront de ces discussions, alors nous ne serons pas là aujourd'hui pour parler de ça. Je vous le dis parce que nous, nous avons nos camarades qui sont sur le terrain. Nous, nous, avons, nous, nous, sommes régulièrement sur le terrain. La situation, elle est dramatique, mais elle est plus grave que vous l'imaginez. Mais allez-y voir où des villages sont menacés. Hmm. Et les villages, tout le monde est obligé de quitter. Que ce soit le père, la mère, l'enfant, chacun se cherche. On vient, on vous donne 48 heures. On vous dit, mais écoutez, si nous revenons, garde à celui qu'on trouve. Ah, on a vu même des cas de tuerie d'enseignants. Et vous avez vu même des cas d'assassinat d'enseignants. Bien sûr. Donc c'est pour vous dire que nous, nous pensons que les autorités de la Septième République ou les autorités qui viendront, tel que soit celui qui se retrouvera à la tête de ce pays, nous, ce que nous souhaiterons et ce qui doit être sa mission, c'est de comprendre que il y a des questions euh, euh, sur lesquelles il doit avoir un consensus national, où tous les acteurs doivent s'entendre s'asseoir, réfléchir, trouver des solutions et pouvoir les mettre en application. Merci à vous. Et on le rappelle, lors de sa visite en date du 19 février 2020 dans la région de Tilabiri, le ministre en charge de l'enseignement primaire avait eu une rencontre avec les acteurs de l'éducation justement élargie aux chefs coutumiers et religieux, aux parents d'élèves et aux forces de l'ordre, à tout ce beau monde donc qui était présent, le ministre Daouda Mamadou Marté avait à l'occasion annoncé la mise en œuvre de certaines mesures. Il s'agit notamment, comme a eu à euh, l'expliquer du regroupement des écoles dans les centres sécurisés, l'interdiction de la circulation des motos, l'intensification des patrouilles, l'éventualité de la réouverture de certaines écoles dans les zones sécurisées, ainsi que la création d'un comité de gestion de crise. Quels sont les aspects sur lesquels vous avez constaté des améliorations Braham Moumouni, des améliorations sur le terrain Par rapport à la situation sur le terrain, actuellement nous avons parce que nous travaillons aussi bien euh, dans la région de Difa que euh, celle de Tilaberi. Nous avons des équipes terrain et euh, notre première, euh, l'un des objectifs pour la rentrée scolaire était pour nous justement de, de, faire un peu le point de qu'est-ce qui est en train d'être fait au niveau donc de la zone de Tlaberi pour au moins comprendre comment est-ce que nous allons euh, en tout cas adapter notre intervention. Nous avons une équipe qui est sur place, mais actuellement nous n'avons pas des éléments euh, précis pour dire que tel engagement a été pris ou tel autre n'a pas été euh, pris en compte. Mais ce que nous savons, ce que, vous connaissez que tout le monde connaît déjà, c'est que la mesure d'introduction justement euh, de, de, de, circuler à moto, c'est quand même en vigueur, même si c'est aussi un autre problème pour que ça soit euh, pour les enseignants, mais également pour les communautés de façon globale. Parce que si un enseignant doit se déplacer, euh, même pour prendre son, son, pécule, il faut le jour de marché prendre un véhicule. Je pense que c'est très compliqué pour eux. Et même les parents, il y a des parents qui sont dans des hameaux où souvent ils utilisent ces motos-là pour amener leurs enfants à l'école. Tout ça là, c'est aussi un frein et qui entrave donc maintenant la question de, de la régularité des enfants à l'école. Et euh, par rapport justement à, ce que les communautés doivent faire, nous avons, euh, dans le cadre de nos actions, par exemple, euh, initié des émissions radiophoniques avec les radios communautaires présentes dans, présentes dans la localité pour justement que nous puissions contribuer à la sensibilisation des parents pour que lorsque les regroupements seraient créés dans les zones où les populations se sont déplacées, qu'on ne puisse pas euh, euh, laisser les enfants, euh, en tout cas à l'écart donc de l'école, qu'on crée les conditions dès qu'il y a une possibilité, qu'on donne la possibilité à ces enfants donc d'aller à l'école. récemment, j'étais avec mm, lors d'une de nos missions, on était avec le maire, donc enfin disons les maires de la zone de Anzuru, Dessa, etc. On était en réunion et je pense qu'ils nous ont rassuré que vraiment la situation sécuritaire dans leur zone euh, était de plus en plus, en tout cas, assez euh, nettement améliorée par rapport à une certaine période. Donc, ça peut prévoir qu'il euh, est possible d'ici, en tout cas, l'effectivité de la rentrée, que nous puissions, que les écoles puissent reprendre en tout cas, selon euh, ces informations que nous avons avec ces maires-là, c'est que, euh, en tout cas, si ça devrait continuer, parce que c'est le terme qu'ils nous ont dit, si la situation devrait se poursuivre actuellement, on pense que euh, l'école peut reprendre dans beaucoup d'écoles, en tout cas, au moins dans la zone de Anzuru, parce que c'est une des communes qui est beaucoup plus affectée comme Inatas par rapport à cette situation donc d'insécurité nous n'avons pas que Lanzuru, nous avons plusieurs euh, départements. Justement, nous avons Walam, Ayerou, Bankilare, Abala, Banubongo, Saitoro, Diterra, Gote et même euh, le département de Tilaveri. Il a été dit euh, par les parents d'élèves que les enseignants ont des réticences à aller dans ces zones. Actuellement, qu'est-ce qui bloque à, aller au Samna du Sineb Oui, mais le coordinateur de, de l'a dit on parle d'espoir pour ouvrir les écoles. Mais on ne dit pas que les écoles sont ouvertes aujourd'hui. Vous voyez, nous, nous ne pouvons pas avoir, c'est vrai, les mêmes langages que la coalition e puisque puisqu'ils font des actions de plein. Nous, nous, c'est un jugement du concret. C'est du concret. Vraiment, nous, nous voulons à ce que qu'on nous dise. Pas qu'il y a que si ça maintient, il y aura ouverture. Non, non, qu'on nous dise que les écoles sont ouvertes. Et quelles sont les conditions pour que justement ces écoles puissent réouvrir Quelles sont les conditions Mais, j'arrive à tout ça. Qu'on nous dise que les écoles sont ouvertes, c'est là que nous nous voulons. Et qu'on nous dise que, alors, on va envoyer les enseignants. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, je vais d'abord t'informer, euh, même les enseignants qui sont censés être dans ces zones sont en train d'être réaffectés dans d'autres zones. Par l'État Oui, c'est par l'État, par le ministère, par le ministère à, à travers ces démembrements. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces zones-là sont en train d'être abandonnées. Même si les maires sont optimistes, ils pensent qu'on va ouvrir. Nous, nous avons, nous, c'est notre souhait. Nous voulons bien qu'on nous dise que les écoles vont ouvrir à telle période. C'est la rentrée. Et la rentrée, c'est une période. Et l'école, c'est une période. L'année scolaire, c'est une période. Et déjà, euh, nous sommes au mois de novembre. Et si on n'ouvre pas les écoles, on les on va les ouvrir quand Et pour ouvrir les écoles, il faut stabiliser les populations. Or, il y a encore des populations qui ont quitté leur village. Est-ce qu'ils sont revenus Quand le maire parle de ça, est-ce qu'ils sont revenus Nous, nous souhaiterons bien que vraiment nos collègues, que nos camarades puissent rester. Mais je vous le dis, même les centres qui ont été créés, vous savez, quand, on a créé les centres, je voudrais dire les, les pôles de regroupement, les enseignants doivent se déplacer mm. euh, pour aller faire cours et revenir. Alors c'est un coût supplémentaire qui a été créé pour les enseignants. Même ça, l'État n'est pas en mesure d'assurer cela. C'est souvent les partenaires, des partenaires des ONG comme ASSO, d'autres ONG, qui aident les enseignants souvent à pouvoir euh, faire ce déplacement. Dans les localités comme par exemple à Difa, quand on était à notre dernière mission, les camarades nous ont dit lorsque les partenaires qui étaient, qui accompagnaient, qui accompagnaient l'État, qui finançaient les déplacements des camarades, s'étaient retirés. Le ministère était incapable de trouver les ressources euh, pour pouvoir créer les conditions pour ces enseignants afin qu'ils puissent effectuer ces déplacements. Donc, alors, nous nous disons que euh, tant que il n'y a pas suffisamment de ressources, cela est impossible. Lorsque le coordinateur disait tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup d'argent que l'État avait mis dans le cadre de la sécurité, mais nous, ce que nous voulons, c'est du concret. Est-ce que cela a réglé le problème Si on donne, si l'État alloue de l'argent et que des individus détournent l'argent, l'État qui a le pouvoir observe ou fait semblant d'ignorer ce qui s'est passé, alors nous, nous disons simplement que l'État n'a pas mis les ressources nécessaires. Parce que, parce que ce n'est pas, ce n'est pas une tierce personne qui, qui, qui doit assurer une bonne gestion des ressources. L'État, mais si l'État met des ressources, l'État doit veiller à ce que les ressources-là, qui ont été par exemple orientées pour la défense nationale, puissent être utilisées de façon efficiente au compte du ministère de la Défense nationale. C'est la même chose. Et Oui, et c'est dommage. Aujourd'hui, quand vous partez, quand vous, même à Niamey d'ailleurs, même à Niamey, aujourd'hui, les inspecteurs, quand vous prenez un inspecteur, chef de service, il est cloîtré. Il ne peut rien faire parce que l'inspecteur même n'a pas un véhicule administratif pour pouvoir faire les déplacements. Un inspecteur, les inspecteurs que nous connaissions, pas les inspecteurs de Alors, quelles sont vos attentes en tant qu'enseignant la, première chose, si nous disons qu'il n'y a pas d'encadrement, les inspecteurs même n'arrivent pas à se déplacer. Même le fonctionnement au niveau donc, des bureaux, tout, il y a même le matériel élémentaire, il n'y en a pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de ressources. Il faut que, lorsque les hommes politiques vont s'engager à financer l'éducation, qu'on finance l'éducation de façon conséquente, qu'on met assez de ressources. Le président Mahamoud Issoufou, même qui avait pris l'engagement de mettre 25%, 10 ans après n'a pas mis 20%. 10 ans après n'a pas mis 20%. Alors comment peut-on avoir une éducation dans toutes les régions et surtout dans des régions à difficulté qui exigent beaucoup plus de ressources si on ne met pas assez de ressources. Il faut donc plus euh, de il Faut que, il faut, le minimum, parce que parce que c'est dans presque toute la sous-région, presque mhm. dans, presque tous les pays. Les gens ont compris que euh, si nous voulons qu'il y ait une éducation et une éducation de qualité, il faut mettre des ressources. Il faut mettre assez de ressources. Il faut mettre plus de ressources. Au lieu de se limiter à mettre. C'est euh, bien compris, ça a impacté ce droit dans ces zones euh, placées sous état d'urgence. Est-ce le plaidoyer que vous vous faites au niveau de l'ASSO-EPT, euh, Braham euh, oui, Michel. notre travail, effectivement, au niveau de l'ASSO, c'est que nous puissions amener l'État mhm. à créer les conditions pour que tous les citoyens quelle que soit en tout cas sa provenance, quelle que soit la situation dans laquelle le citoyen euh, se trouve, euh, puisse bénéficier d'une éducation de qualité, de qualité mm. et gratuite, telle que euh, la Constitution du Niger l'a dit, ou telle que la Lausanne dit que les citoyens ont droit à l'éducation jusqu'à l'âge de 18 ans. L'État doit assurer cela. Alors, effectivement, euh, nous travaillons sur le plaidoyer. C'est-à-dire notre euh, travail fondamental, c'est quand même d'encourager l'État et ses partenaires, mais également les communautés à créer les conditions pour que les moyens nécessaires puissent être mis en, place et permettre de garantir euh, cet objectif-là. Et Aliou l'a dit et on le dit tout le temps, la question du financement est centrale pour que nous puissions atteindre en tout cas les objectifs d'éducation pour tous. C'est pourquoi nous avons, dans tout ce que nous faisons, nous avons beaucoup insisté auprès, que ce soit de l'État, mais également des collectivités. Depuis un certain temps, 2012 déjà, la coalition travaille de manière forte avec les collectivités pour dire euh, que les communes aussi doivent contribuer euh, euh, au financement de l'éducation au niveau de leur entités respectives. Au-delà de ce que l'État donne, euh, les communes doivent, dans leur plan d'action, euh, dans, disons dans leur PDC, plan de développement communaux, et également dans leur plan d'action annuel, inscrire des ressources qui devraient permettre d'accompagner, euh, en tout cas, tout ce qui est question éducative dans leur entité respective. Et l'État également, de mettre le, le, budget conséquent. Le président de la République l'a promis depuis, en tout cas, dix ans. Et nous avons beaucoup travaillé, en tout cas, sur ces paramètres-là pour que euh, l'éducation puisse être suffisamment euh, dotée de ressources parce que c'est la base. Mm. Si nous avons assez de ressources au niveau de l'éducation, ça veut dire que nous pourrions, même si les enfants se déplacent, on pourra créer les conditions pour que ces enfants-là ne manqueront pas des infrastructures leur permettant euh, à leur lieu d'accueil, qu'ils puissent trouver des salles de classe, qu'ils puissent trouver des enseignants bien formés, également bien motivés, parce que c'est aussi ça la préoccupation. Un enseignant s'il n'est pas euh, euh, euh, motivé, sécurisé, il ne pourra pas donner l'enseignement comme ça se doit. Et c'est ça qui fait souvent la déperdition au niveau du corps enseignant, surtout dans les zones d'insécurité où ils sont exposés. Donc normalement, les moyens dont l'État doit mettre devraient permettre de créer, peut-être de faire une discrimination positive en faveur de ces enseignants-là qui sont dans ces zones spécifiques je voudrais dire que, par exemple, de créer, par exemple, des primes supplémentaires qui devraient encourager ces enseignants-là, parce que quand même, ils, risquent leur vie en, restant, en tout cas, dans ces zones. Et ça, c'est les ressources, en tout cas financières, qui permettraient donc de le faire. Autre chose que nous pensons qu'on peut, euh, au-delà des ressources, c'est la collaboration, effectivement, avec tous les acteurs qu'il faut renforcer. Nous estimons que très souvent, on constate je disais que les partenaires interviennent beaucoup sur ces questions d'urgence, mais euh, on a l'impression qu'ils amènent des solutions, euh, en tout cas euh, importées, comme on dit. C'est-à-dire on, manque d'implication de, de, des communautés, par exemple. La communauté locale souvent a des solutions endogènes qui permettraient de mieux gérer certaines situations que lorsque c'est une solution, en tout cas qui est venue d'ailleurs, on vient d'implanter, on ne tient pas compte du contexte social, contexte, contexte culturel, économique, etc. Donc il faudrait que euh, les acteurs, en tout cas, renforcent la collaboration, le ministère, la, la communauté, les partenaires qui interviennent sur ces questions d'urgence, qu'on définisse une stratégie qui soit euh, beaucoup plus appropriée, qui permettrait de prendre en compte les préoccupations réelles des communautés et que leur avis soit pris en compte. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une stratégie réelle qui pourra nous aider euh, à à choses. Et, donc, au-delà de ça, je pense que la question des acteurs sociaux, ils l'ont dit, les syndicats quand même d'enseignants, c'est des acteurs clés. Il faut impliquer tout le monde, c'est bien compris. Vraiment. Allez au Samna, quelles contributions peuvent apporter les autres acteurs vous avez parlé des syndicats, naturellement, mais il y a aussi les parents d'élèves, les chefs traditionnels, euh, disons la population de façon générale. Mais la communauté est déjà organisée. La communauté nigérienne, partout où elle se trouve, elle est déjà organisée. On met en confiance ces communautés, on leur donne les moyens pour qu'ils puissent vraiment jouer pleinement leur rôle. Nous pensons que c'est cela qu'il va falloir faire. Il faut responsabiliser la communauté. Et au sein de la communauté, il y a également tous les éléments de la communauté. Et la communauté, elle a de tout temps, la communauté nigérienne, elle a de tout temps su gérer les difficultés. Et ce n'est pas cette petite crise que si on la responsabilise, qu'elle ne soit pas en mesure de gérer. Je suis convaincu qu'elle pouvait, qu'elle sera en mesure de pouvoir gérer mm. donc la crise. À la date d'aujourd'hui, vous avez vu, même au niveau des maires, au niveau des mairies ou au niveau des, je ne sais pas des, euh, comment est-ce qu'on les appelle, ils ne sont pas en mesure de vous dire quand est-ce qu'ils vont ouvrir certaines écoles, parce qu'ils ne savent pas. Ça les pas. Moi, je pense que il va falloir toujours continuer à responsabiliser les communautés. Et aussi, coordinateur avait dit quelque chose d'extrêmement important. Vous ne pouvez pas envoyer des enseignants dans des milieux où il y a l'insécurité, des enseignants d'abord qui n'ont pas d'espoir pour la profession enseignante, puisque je parle de ces contractuels. Mhm. Nous, aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons 70, 70 000 à 80 000 enseignants contractuels. Ça veut dire que les même s'il n'y avait pas de sécurité, oui, mais même s'il n'y avait pas de sécurité, ce système-là ne peut pas fonctionner. C'est un système où, où, où c'est le contractuel qui domine. C'est une autre problématique, mais qu'est-ce qu'il faut faire surtout qu'ils soient contractuels ou pas Mais ceux qui sont à l'insécurité, mais écoutez, je vais vous dire, vous savez pourquoi je parle de cela Quand vous prenez par exemple les professeurs de CG, les professeurs de CG conformes à l'économie supérieure, ça fait des années, dès qu'on les forme, qu'est-ce qu'on leur fait on les, recrute, on les donne des matricules, on les recrute à la fonction publique pour qu'ils puissent servir à l'intérieur du pays. Mais les enseignants, ceux-là qui sont dans ces zones et qui ont accepté de servir dans ces zones. Mais pourquoi on ne va pas les traiter avec, avec un peu plus euh, de, donc de traitement de faveur Au niveau de la santé, je vais vous le dire, peut-être vous ne le savez pas. Un agent de santé qui est à Niamey n'a pas ce qu'on appelle la motivation. Mais l'enseignant de santé, s'il va à Dosso, il a de la motivation. S'il va à Maradi, ça augmente. S'il va à Zander, ça augmente. Celui qui va à Difa, pour lui, ça, c'est plus élevé que celui qui est. Mais pourquoi l'enseignant qui est en zone d'insécurité, on pense qu'il doit rester là-bas en zone de sécurité et il doit rester contractuel. Et, sans, et souvent sans rémunération. Quand on, affecte, quand on affecte les enseignants dans ces zones, ils n'ont aucun surplus par rapport à leurs anciennes Ils n'ont rien en dehors des menaces, des intimidations. Menaces, intimidations, révocation, résiliation des contrats, affectation arbitraire. En dehors de ça, il n'y a rien. Et ça, je ne pense pas que ce sont des choses qui peuvent pousser les enseignants à rester. Les, affectations, les frustrations. Lorsque il y avait une enseignante, je vais vous raconter en une minute, une, enseignante, Rapidement, elle était souffrante. Elle était dans cette zone, elle était dans cette zone de sécurité. Elle avait demandé une semaine pour aller se faire soigner. Vous savez ce qu'on lui dit Que pour se faire soigner, une semaine, c'est trop. Il va falloir qu'on lui donne juste deux jours. Si tu dépasses deux jours, on va résilier son contrat. Vous voulez comment ça peut marcher Alors que nous, nous estimons qu'en tant que syndicat d'enseignants, si on peut recruter et si on doit recruter, il faut commencer, il faut changer les critères parce que chaque situation, on doit l'adopter. Les enseignants qui acceptent d'aller, qui acceptent de servir le peuple nigérien en période de sécurité en mettant leur vie en danger, sans qu'ils ne soient payés régulièrement, doivent avoir un plus. Il faut d'abord les recruter. Après le recrutement, il faut les payer. Favoriser le recrutement mais c'est clair, mais c'est clair, il faut le faire c'est ça, et pour, qu'il puisse rester. Et qu'il puisse signer des engagements, rester et servir la nation. Donc il faut, qu'on réfléchisse à des, formules comme ça. Et je vais vous dire encore une chose, plus, et plus dramatique. C'est que vous voyez quelqu'un qui est en zone d'insécurité, qui se déplace et qui, à qui on a créé des dépenses supplémentaires, les déplacements, dont il n'est pas responsable. Parce qu'il ne peut pas rester dans le village. Alors on le paie avec un retard. Mais pourquoi, bon, bon sang Mais comment Mais le Nigeria on est arrivé à un niveau où on dirait que euh, on n'a plus pitié de celui qui est loin de soi. Si on doit payer, on doit commencer par payer ces enseignants. On doit commencer par ceux-là qui sont loin, qui sont en milieu difficile, qui vivent difficilement avant de payer même ceux qui sont, ceux qui sont donc, à, donc au niveau Ce n'est pas le cas, vous pensez Et malheureusement, euh, ce n'est pas cela. Et si nous voudrons à ce que vraiment les enseignants puissent aller dans ces milieux, alors il faut que vraiment on s'asseye avec les partenaires, on fait des réflexions et on avance dans l'intérêt du Niger. Merci beaucoup, c'est bien compris. Il faut donner plus euh, de privilèges à ces enseignants qui vont loin pour euh, enseigner et faire en sorte que euh, on puisse impliquer tout le monde dans le dialogue à la recherche des solutions face à cette situation de crise. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalango qui a eu pour thème situation des écoles dans les zones sous état d'urgence au Niger. Nous comprenons que l'État est à pied d'œuvre comme ça a été soutenu par le condamnateur de ASOEPT nous avons également le secrétaire euh, général euh, du syndicat national des enseignants de base qui estime que l'État doit faire plus, l'État doit impliquer tous les acteurs dans la recherche de solutions face à cette euh, situation de crise qui occasionne la fermeture des écoles en pleine année scolaire dans certaines localités du pays, notamment au niveau des localités de la zone des trois frontières. Nos deux invités souhaitent, surtout pour ce qui concerne le secrétaire secrétaire général du SNEP que l'État investissent plus euh, pour ce qui concerne les enseignants qui vont dans ces zones d'insécurité pour enseigner en leur accordant des avantages euh, supplémentaires. Nous disons merci à tous les deux qui ont répondu à cette euh, invitation. Il s'agit d'abord du secrétaire général du syndicat national des enseignants de base et SINEB et coordonnateur de l'international de l'éducation section du Niger, Alio Hassan Samna, et du coordonnateur donateur national de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, Asso et PT Braham Moumouni. Merci donc euh, à vous. Je rappelle que nous avons également invité le ministère en charge de l'enseignement primaire qui n'a pas répondu présent à notre euh, invitation. Merci aussi à vous, chers euh, auditeurs, de nous avoir suivis. L'équipe technique est composée de abdelkader Chombiano qui est à la régie pour le son et Ayoub Mustafa pour la réalisation vidéo. Passez une excellente soirée et au revoir.